job ni alaji sama tour yalla je ko tuddu depuis sama jour ngente yo warga sage ba fatali ko ne bi ngay juddu hôpital sage femme mo la genne man li may def dafa tegu fo dafa taaru mel ni loxo gel bi doga def henne su bu su jant la guddi weer so may seet fo nga ku nouvelle toile enne enne na di liggéey ak sama flow indi son yi ëpp rythme tëgg kadu jembe man ak Mr Chair ñoo koy togg yow sa waañ gëna gën xewi soirée fecc katu jembe yow boo doga yow a yeewu sa nga tu bu dee ñu ngay jéem a génne man foogoon naa ne bis la ak loof tegoon naa la bro nekk te musiba nga ma yénne a part mer bi oma royukaay maa ngi dégg iblis naan ma els xam naa yoon bi kaay man ngay jàmm je suis Elzo Jamdan euh, un enfant d'Afrique et un citoyen du monde je viens du Sénégal de Dakar et plus précisément de Dakar Plateau et et je suis d'origine peul donc du Fouta aussi euh, j'ai fait de la musique. J'ai sorti deux projets, un album gratuit et un EP. J'ai fait des vidéos, j'ai fait des concerts, des showcases au Sénégal, en France, euh, une tournée nationale au Sénégal l'année dernière. En résumé, c'est ce que j'ai fait. Alors les artistes que j'ai le plus écoutés, je vais te dire direct, euh, Michael Jackson, euh, Bob Marley, euh, Ça va faire long hein, si, je me mets à les énumérer, mais ouais, on va dire ça. Je suis, très influencé et je leur rends hommage d'ailleurs dans, l'album par nos figures emblématiques euh, comme, Malcolm X, comme Martin Luther King, qui, qui m'inspirent beaucoup et je me il y, a un son, une si longue lettre dans lequel je dis euh, Malcolm, Martin, oui, Thomas, Patrice. je parle de Thomas Sankara, de Patrice Lumumba. Et je cite que leurs prénoms comme si c'était comme si c'était des années avant tu vois. Parce que je pense qu'on est dans la même. Euh, c'est des gens qui m'ont qui nous ont donné une, euh, influence positive à ce qu'on fait. Et j'aimerais être dans la continuité de leur combat. J'aimerais remplir des stades, euh, euh, faire passer mon message au maximum de, personnes possibles et partager mon art avec, tous ceux qui sont sensibles, euh, tous ceux qui pourraient être sensibles à ce que je fais. Alors qu'est-ce qui m'inspire Je dirais tous les, tous les combattants de la liberté. Euh, Bob Marley, c'était un combattant de la liberté, c'était un freedom fighter. Euh, oui, P. Newton, euh, dont, j'ai repris la photo sur la pochette de mon album, c'était un freedom fighter. tous les, tous les freedom fighters sont ceux qui m'influencent et qui m'inspirent.